forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. Le forum du studio Kalamgou. 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Vous suivrez euh, les programmes du Studio Kalangou en direct grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires qui couvrent les 8 chefs-lieux de région ainsi que les localités d'Arlit, de Kirozirine, de Bouza, de Tamaské, de Mainosoroa, de Magaria, du Mayaï, Berningaure, Dorbel et Saï. Le, forum du studio Kalangou est un espace euh, d'échange, un espace pour apporter des réponses aux préoccupations des auditeurs sur des questions qu'ils se posent régulièrement. Aujourd'hui, le forum est consacré à la problématique de l'abus de biens publics. Pourquoi constatons de plus en plus cette tendance à abuser des biens publics depuis des décennies, il est aisé de constater que le bien public, que le bien, le bien, bien élu fonctionnaires, euh, de manière générale, une bonne partie des agents de l'État ignorent ou tendent à abuser des biens publics mis à leur disposition par l'administration afin de leur permettre d'accomplir leur mission dans l'intérêt du Niger et de son peuple pour euh, parler de, cette euh, thématique en compagnie de nos invités. Nous tenterons dans la première partie de ce forum de définir ce que c'est que le bien public. Nous, dénombrerons euh, les différents éléments qui constituent le bien public et nous essayerons d'indiquer où retrouve-t-on les biens publics. Ensuite, nous parlerons des causes qui amènent à ces mauvaises habitudes ainsi que leurs conséquences sur la vie du Niger et de sa population. Enfin, nous parlerons dans la, dernière manche de ce forum des instruments mis en place au Niger pour mieux lutter contre ces abus de biens sociaux et détournement de fonds publics, ainsi que des mesures à prendre pour aider à réduire ces abus constatés. Avec nous ce soir pour développer cette problématique, Samaïla Abdou Sadou, il est administrateur civil. Samaïla Abdou, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également El Haji Idi Abdou, acteur de la société civile et ancien administrateur de la ligne verte. El Haji Idi Abdou, bonsoir. Bonsoir. première partie de ce forum, Samaïla Abdou Sadou, vous êtes administrateur de formation sortie de l'ENAM euh, du Niamey. Dites-nous, euh, c'est quoi euh, le bien public eh, Bonsoir aux auditeurs. Eh, pour parler plus simplement, donc le bien public pour le fonctionnement des services, l'État met à la disposition de ces derniers eh, des biens et matériels qui sont des biens meubles ou immobiliers. Donc c'est ça qu'on peut considérer comme euh, bien public. Donc c'est pour le, on peut les catégoriser de la forteresse militaire jusqu'à la chaise sur laquelle euh, ça va s'asseoir l'usager qui demande euh, une prestation du service public. Est-ce qu'on peut trouver quelques exemples Vous pouvez nous dire, quelques exemples de biens publics Par exemple, j'ai parlé de chaises sur lequel de l'antichambre, l'usager, il s'assoit. Ça, c'est le bien public. Vous prenez le véhicule, c'est le bien public. Vous prenez, vous prenez le bâtiment, c'est le bien public. Donc tout ce qui, qui concourt au fonctionnement du service, c'est le bien public. Quand est-ce qu'on peut constater qu'un agent euh, de, l'administration publique a, abusé de ce bien public Bon, généralement, quand il l'utilise en dehors du service, puisque le bien, on le lui donne pour qu'il puisse accomplir les missions du service. Quand vous prenez le bien, pour aller amener vos enfants à l'école, ça ne fait pas partie des missions de l'administration. Ou bien quand vous prenez ça pour faire des courses, comme on en voit à Niamey tellement, les mariages aussi, il y a des gens qui prennent ça, qui utilisent les, véhicules, ça c'est très illustratif, à des faits récréatifs. Et ça, c'est un, un, abus. Vous voyez Donc dès que vous sortez du domaine de l'usage du service public, pour le fonctionnement de votre service, là, ce n'est plus ça, c'est du domaine privé. C'est-à-dire, c'est un bien public que vous utilisez à des fins privées. il y a de cela quelques semaines euh, sur les, rives, du fleuve Niger, euh, notamment à la pilule, on a découvert euh, <laughs> un véhicule de la présidence qui a fait des buzz à Niamey. Exactement. tous les citoyens, effectivement, nous, nous, sommes, personnellement, j'ai été choqué et j'avais attendu voir le résultat, c'est que la sanction qui a été infligée au chauffeur, parce que le véhicule ne devrait pas être là-bas. Il on doit l'utiliser pour une mission de l'État, et là-bas, ce n'est pas une mission de l'État. Malheureusement, bon, comme on est dans un pays où aujourd'hui on ne peut pas parler de l'autorité, l'autorité a pratiquement disparu, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que cela peut être classé dans le cas d'impunité ici Évidemment, c'est de l'impunité, de flagrante même. Ah, ah, c'est clair, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Ailleurs, vous utilisez les véhicules de l'État pour vous amener à la maison et puis ça retourne au service, ça ne dort même pas chez vous, si je peux utiliser le mot dormir, puisqu'un véhicule ne dort pas. Voilà, ça c'est chose. Donc vous voyez, c'est de telles pratiques que les gens ont pris goût à ça. C'est les véhicules de l'État, ils utilisent pour amener leurs enfants à l'école. Quand vous partez devant les écoles, vous allez vous trouver des véhicules immatriculés de l'État qu'ils utilisent. Et même maintenant, les gens sont allés même à s'approprier du bien immobilier de l'État, les terrains, parce qu'il ne faut pas juste voir le, matériel qui est là que les gens voient. Il y a aussi les terrains, il y a les maisons de l'État que les gens s'approprient, qui doivent, qui doivent, comme on dit, le, domaine public, il est, inaliénable, imprescriptible, insaisissable. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, les gens les mettent de côté pour s'en approprier, pour faire de ça leur bien propre. Bon, voilà, c'est la politique, c'est la démocratie, comme dit, on dit au Niger. Alaji Diabdou, vous êtes acteur de la société civile et ancien administrateur de la ligne verte. Est-ce euh, un complément sur euh, ces questions posées à Samaïla euh, Abdoussadou Bien, <coughs> merci. En fait, c'est notre constitution, en son article 4, qui a consacré la sacralisation des biens publics l'article 41 dit que les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne, vous, citoyen ordinaire comme moi, citoyen ordinaire, et les détenteurs de doivent les protéger. Malheureusement, le même article a dit le sabotage le vandalisme, l'enrichissement illicite, les détournements de ces biens publics doivent être punis. Une loi doit être consacrée. L'abus, effectivement, comme le thème est, c'est faire de mauvaise foi. Et nous a de ces biens en dehors de l'intérêt. est-ce que ces, ces cas de manquement constatés font partie d'une violation de la Constitution Bien, la Constitution consacre leur sacralisation. Et les lois, en l'occurrence le Code pénal, il punit celui qui se met au travers de la loi. La loi le dit, mais écoutez, quand vous êtes dans un pays où l'impunité règne à règle absolue, comment vous pouvez parler de la loi parce qu'il y en a des gens qui estiment être au-dessus de la loi. Vous venez de donner un exemple. Qu'on a vu un véhicule de la présidente de la République du Niger à un endroit où ce véhicule ne doit pas être. D'abord un véhicule de l'État. Il ne peut pas sortir de Niamey sans qu'il présente un ordre de mission. Maintenant, ceux qui sont censés. Et puis un, dimanche. Je viens, quelle que soit l'heure, qu'il soit dimanche, tu peux aller à mission le dimanche. Mais il faut un ordre de mission. Maintenant, les policiers qui sont censés contrôler l'ordre de mission, vu le règne de l'impunité, ils ont même peur pour demander à celui qui conduit le véhicule un ordre de mission au risque de les chasser de là où ils sont. Sinon, le véhicule ne doit pas quitter. Si on respecte que toute personne a le devoir de les respecter, c'est que le véhicule de l'État ne doit pas sortir de Niamey sans qu'on demande un ordre de mission. S'il n'y a pas d'ordre de mission, les policiers immobilisent le véhicule à leur poste et ils se réfèrent au garage administratif pour savoir ce véhicule a été affecté à qui et voilà ce véhicule-là veut sortir de Niamey irrégulièrement. C'est ça le respect du bien public. C'est ça que la loi dit, toute personne doit les protéger. Si on les veut, ben, ben, ils seront exposés au vandalisme, au sabotage, au détournement. Donc, dès lors qu'un véhicule s'est retrouvé de la présidence là-bas, où il ne devrait pas être, et personne n'a été sanctionné. Parce que le chauffeur n'a pas été sanctionné. Il ne doit même pas être sanctionné parce que ce n'est pas le chauffeur qui a mobilisé le véhicule. Ça a fait grand bruit. Et c'est immoral. Mais rien ne s'est passé. Il n'y a rien, il n'y a aucune sanction. Parce que ceux qui sont à la base de l'affectation de ce véhicule à ces fins qui n'ont rien à voir avec l'intérêt national, ils sont intouchables et il reste intouchable. Donc, quand quelque chose comme ça s'est passé, sinon normalement, mais pourquoi les policiers qui sont au poste à la sortie de ça et là, en allant sur ça, ils ont laissé le véhicule Pourquoi Eux-mêmes, on devrait leur demander des comptes. Parce qu'ils sont tenus à faire respecter la loi. Et la loi dit qu'ils ne devraient pas laisser un véhicule de l'État. Euh, un. Deuxièmement, même en ville de Niamey, quand tu regardes, tu vas voir des véhicules. Normalement, les policiers de la route dans la ville de Niamey, ce n'est pas pour les véhicules privés. Les véhicules de l'État, il y a deux types. Il y a des véhicules de fonction, où le véhicule va, tu vas chez toi avec le véhicule, demain tu reviens. C'est un véhicule affecté à toi. Et un véhicule de service. Le véhicule de service, il ne dort pas, il ne passe pas la nuit chez toi mais le véhicule de fonction peut aller chez toi. Mais le véhicule de fonction, chaque véhicule de fonction est affecté à une personne et à son chauffeur. Normalement, en dehors de la personne ou de son chauffeur, tous les, policiers devraient contrôler. Chaque véhicule administratif a un papier qui dit le numéro, la voiture qui a le numéro de la tel est affecté à monsieur X et voilà son chauffeur. Les policiers devraient vérifier est-ce que c'est monsieur X ou son chauffeur. Si c'est son fils, on immobilise le véhicule. C'est ça, faire un usage de mauvaise foi des biens publics à d'autres fins qui n'ont rien à voir avec l'intérêt. Maintenant, Elagi Diabdou, quelle est la différence, euh, selon vous, entre euh, le bien public et les biens sociaux Comment les gens tendent à, faire de la Avant de vous rentrer dans dans la définition juridique. Et la définition juridique, c'est qu'on appelle abus de biens sociaux, enrichissement illicite euh, et détournement des biens. Ça, c'est des infractions liées à la corruption. Et le code pénal, il a clairement sorti les éléments qui concourent à la commission de ces infractions-là. Donc, ça, c'est des termes juridiques où, dans le code pénal, très clairement, ils ont été définis. Et la définition qui va, c'est la définition du code pénal. Et elle, elle est très claire. C'est des infractions. Et c'est pour cela que l'article 41 dit que les lois sont consacrées pour protéger ces infractions-là. Vous avez le code pénal en général pour l'abus de biens sociaux. Vous avez les éléments qui sont indiqués dans le code pénal. Pour l'enrichissement illicite, vous avez une loi. Pour le détournement des biens publics, euh, récemment j'ai vu deux, deux, lois en 2016 et qui, si on est capable de les appliquer, parce que une des lois dit que en cas de détournement des biens publics, vous ne pouvez pas bénéficier d'une liberté provisoire tant que vous ne payez pas ou vous ne déposez pas une caution égale à ce que vous ce que vous avez détourné. Alors, Alaji Diabdou, quand des citoyens vous appelaient, quand vous étiez encore à la ligne verte, y a-t-il euh, des, dénonciations d'abus de biens publics Je ne parle pas, laisse la ligne verte là, ne colle même plus mon nom à la ligne verte. C'est de l'histoire, c'est passé. Vous, vous n'avez pas d'exemple à nous Non, non, non, non, je peux dire les choses comme je les vois. Ne colle plus mon nom à la ligne verte. Seconde partie de ce forum pour parler des causes qui amènent à ces mauvaises habitudes ainsi que leurs conséquences sur la vie du Niger et de sa population. Euh, Samaïla, euh, selon vous, Samaïla Abdoussadou, selon vous, qu'est-ce qui explique que certains agents de l'État et certains élus abusent de ces biens publics Bon, d'autres pensent que c'est lié à l'inconscience, mais moi je pense que c'est un problème d'autorité. Et parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout, je l'avais dit et au début de mon intervention, c'est parce que vraiment l'autorité ne s'applique pas. Nous sommes en démocratie et la démocratie, c'est un régime de loi. Et la loi, c'est la fermeté. On doit appliquer les lois. Nous avons des lois qui, qui sanctionnent de tels comportements, mais on ferme les yeux. Parce que juste, nous sommes en politique, on dit en politique, c'est la démocratie. La démocratie, on fait ce qu'on veut. Donc si vraiment on ne chose pas, on n'arrête pas cette dérive-là, ah, ah, euh, ça va déboucher sur des événements que personne ne contrôlera un jour. C'est clair, puisque chacun s'approprie du bien, public, il fait ce qu'il en veut, donc où est-ce qu'on va aller Alors non, quelqu'un va se lever un matin, il va dire, bon, il s'en est approprié du Niger, maintenant sortez. C'est clair. Euh, Samaïla euh, Abdou euh, vous êtes administrateur civil. face à des cas d'impunité, de, qu'est-ce que les gens peuvent, peuvent faire Bon, vous savez, dénoncer aujourd'hui, ça ne sert à rien. Si vous dénoncez même, ça ne sert à rien. La preuve, vous avez parlé du, du, véhicule numéro 015 de la présidence, que tout le monde connaît. Et on n'a pas eu de suite à ça, parce qu'il y a des gros bonnets, comme on dit, qui se cachent derrière. Donc ça ne suffit pas. Maintenant, c'est l'autorité, parce que moi, je suis convaincu que le pouvoir, l'autorité, là, il faut qu'elle s'affirme. L'exemple doit commencer du sommet à la base, et non pas de la base au sommet tant que lui, le président de la République, il, ne s'applique pas la loi, les ministres ne s'appliquent pas la loi, les députés ne s'appliquent pas la loi, les DG ne s'appliquent pas la loi, en bas, ne demandez pas à l'enseignant ou à l'infirmier d'appliquer la loi. Parce que toi, le directeur, par exemple, tu arrives à 10 heures, ou bien le ministre arrive à 10 heures au bureau, tu vas à, l'agent de venir à 8 heures. Non. C'est des cas d'abus aussi Bien sûr, évidemment. Donc c'est comme ça, chacun il est... On doit prendre soin des biens. Le bien, c'est, si je peux le dire, c'est du amana du peuple. C'est l'impôt, la, tout ça, là, le pays s'endette pour pouvoir de mettre une catégorie de ces agents dans les conditions pour qu'ils puissent améliorer le sort de toute la population. C'est ça le but, et non pas pour que les gens en jugent pour leur bien personnel. Si vous partez de la nuit, si vous voyez les cortèges de marais, vous ne verrez jamais un cortège où il n'y a pas de véhicule administratif. Souvent, avant même le véhicule 015 de la présidence, tout le monde en a vu sur le, site Tamtam Info un, véhicule 4x4, je crois, sur lequel il y avait un matelas d'une jeune mariée. Et il y avait l'immatriculation aussi. Qu'est-ce qui en est arrivé Rien, absolument rien. Donc vraiment, c'est l'autorité, la, fermeté, parce que la démocratie, c'est un régime de loi, donc c'est un régime de fermeté. Il faut appliquer la loi selon la plus grande rigueur. Il y a des lois, comme al Abdoua Idi l'a dit. Il faut l'appliquer. C'est tout, il ne faut pas avoir peur. Euh, pourquoi Parce que la, loi ne s'applique pas. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut rester, euh, ne pas dénoncer, ou bien quest faut-il faire Bon, il faut dénoncer. Nous, on le fait. La preuve, actuellement, on est en train de le faire. Mais est-ce que ça résout le problème Ça ne résout pas le problème. Donc vraiment, il faut que l'autorité elle-même sache qu'elle est investie d'une mission et que cette mission-là, c'est du aman du peuple, la confiance. Si elle trahit, tôt ou tard, elle, paiera. Donc c'est extrêmement important. Il faut que nous, nous, ayons la notion du service public. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi du terme, nous ne sommes plus dans la République, nous sommes dans la réprivée. Parce que tout est privatisé dans ce pays-là. Il faut connaître des gens pour pouvoir intervention, intervention. Tout est, tout est sur le, dans le domaine du, privé. Le public, on est en train de, de s'en sortir de ça. Elle... Alaji Edi de la Société et ancien administrateur de la ligne verte. <laughs> Euh, euh, Alaji Edi quelles peuvent être les conséquences de ces habits pour euh, la vie du Niger et de sa population Les conséquences ben, Les conséquences sont très claires. Vous faites un petit tour à Niamey, c'est illustratif. Tous les feux optiques là ont été saccagés. Ce sont des biens publics. Vous faites un tour, les gens ont cassé les poteaux électriques, les lampadaires là, les gens les ont cassés et on n'a demandé à personne de rembourser. Les gens conduisent comme ils veulent. Ils dégradent les goudrons. Ici à Niamey, vous allez assister, mais c'est terrible. Que des gens se soient levés un beau matin pour transformer le goudron. Construire à grand frère Oui. Donc, ça là, ça ne fait que s'empirer parce que l'impurité règne à maître absolu. Souvent, les gens parlent de mentalité d'incivisme, qu'il faut enseigner ceci, il faut enseigner cela. Non. Le meilleur enseignement, c'est l'exemple qui doit venir du haut. Parce que le haut, là, c'est d'abord lui qui a la prérogative constitutionnelle de respecter la loi et de la faire respecter. Si ceux qui sont censés respecter la loi et la faire respecter ne la respectent pas, mais qui va la respecter Voilà l'état dans lequel on est. Vous allez, ça fait les gens, Le fonctionnaire de l'État, qui devrait commencer son travail à 8 heures, qui vient au bureau à 10 heures, c'est un détournement des biens publics. Il devrait venir à 8 heures. S'il vient à 10 heures, les deux heures là, c'est indu. Le fonctionnaire de l'État qui devait venir à 8 heures et retourner à 17h30, il vient d'abord à 10 heures et tout le monde le sait. Il quitte vers 14 heures là et ne revient plus. Et à la fin du mois, il a totalement son salaire. Parce qu'effectivement, les chefs dans chaque ministère, il y a un ministre. Alors, j'ai dit, les conséquences de tout cela, est-ce que c'est un manque à gagner pour euh, nos finances publiques Mais c'est plus qu'un manque à gagner. D'abord, il y a destruction de ces biens. Du fait de l'impunité, ces biens sont détruits. Du fait de ce bien-là, les véhicules de l'État, sont affectés à d'autres usages contraires à l'intérêt national. Donc, ils ne servent pas l'État, ils servent des individus. Et l'État continue à payer des biens qui ne servent pas à l'intérêt national, qui ne servent à des individus. Donc, l'État s'appauvrit, des individus s'enrichissent. Actuellement, le Niger a des problèmes financiers, mais des gens sont extrêmement riches. Est-ce que c'est la conséquence de tous ces abus C'est la conséquence de tous ces biens-là. Mais regardez, on donne un marché à quelqu'un pour construire des classes. Il ne construit même pas. Il empoche les sous. Ou il construit pas la qualité qui est dans le papier. Ils ne respectent pas les normes. Ils ne respectent rien du tout. Ça n'a pas trois ans ou cinq ans en arrière. Une classe était s'est écroulée dans la région de Telabéru elle a tué des élèves. On a sanctionné qui C'est Agassa Awan. Non seulement on a perdu l'argent là, parce que c'est une classe censée être un matériau définitif qui ne devrait pas s'écrouler. Elle s'est écroulée. Les millions qu'on a mis, c'est parti en fumée. Pire, il y a eu mort d'hommes, des gens sont morts. On n'a sanctionné personne. Donc, vous voulez quoi Ça veut dire un État qui n'est pas capable. Vous savez, la République, la démocratie est plus rigoureuse qu'un État d'exception. Parce que dans un État d'exception, en réalité, c'est à l'humeur, c'est l'humeur du chef. La démocratie est régie par des lois. Et les lois sont sévères et on doit les appliquer. Malheureusement, nous, ce n'est pas de la démocratie au Niger, je m'excuse. C'est de l'anarchie. Dans un point de presse euh, animé en date euh, du 1er février 2017, qu'on peut encore parcourir sur le site euh, du Niger Actu, le procureur de la République, Cheb Samna, affirme, et je cite, la justice nigérienne est déterminée à recouvrir jusqu'au dernier COPEC appartenant à l'État. À ce jour, je rappelle que, euh, vous, l'avez rappelé avant moi, l'article 41 de la Constitution du 25 décembre 2010 stipule que, je cite, les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de blanchiment d'argent ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi. Quelles sont les attentes des Nigériens dans le cadre de, la lutte contre l'impunité toutes les lois existent. Quand on parle d'impunité, c'est que les lois sont là, mais on ne les applique pas. C'est tout. Et qui ne les applique pas C'est celui qui est censé les faire appliquer. Mais quand les gens disent non, il faut enseigner le civisme, tu as beau enseigner le civisme à l'école, aux enfants là, tu leur enseignes. En fait, l'éducation à l'école là, on enseigne les enfants. L'enfant qui est mal éduqué à l'école, on l'enseigne seulement. On lui apprend le message. Mais sa mentalité là, vous ne pouvez pas la changer. Maintenant, regardez bien. Avant, dans, en conseil d'usage, on dit aux élèves, il faut étudier quand même pour avoir le diplôme. Maintenant, dès qu'on dit ça, elle dit Ah, monsieur, quel diplôme il a Donc, tu ne veux pas le convaincre, tu as beau enseigner, mais lui, concrètement, il voit ça dans sa famille. Quand vous venez, maintenant là, les enfants de ceux qui ont abusé des biens publics, ils sont très fiers. Et les enfants des pauvres, ils veulent, ils les envient. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire nos valeurs, sont, les vies sont devenues des valeurs. Parce que du fait tout simplement de l'impunité changement de mentalité, changement de mentalité, c'est une absurdité. Parce que nous sommes dans une situation où il faut appliquer la loi. Il y a, mais des même un enfant, quand il dépasse satan là tu peux rien changer. C'est avant Satan, il faut le modéler. Quand il dépasse Satan, tu tu peux rien modéler. À plus forte raison, tous ces bons monde-là, ils comprennent que le seul langage, c'est le langage de l'application de la loi. Les gens aujourd'hui, tous ceux qui s'adonnent à ce que nous critiquons aujourd'hui, si vous arrêtez un, deux, trois, vous allez constater que les gens vont s'arrêter. Mais quand les gens savent qu'on n'arrête personne, il suffit de commettre des forfaitures et tu prends la carte du parti au pouvoir, ou tu vas, tu rentres dans le boubou d'un homme politique influent, et puis c'est fini. Somaïla Abdoudaouda, vous êtes administrateur euh, civil. Euh, quelles sont les attentes des Nigériens dans le cadre de la lutte contre l'impunité Bon, aujourd'hui, les Nigériens, il faut le dire, ils ont soif de justice, de justice sociale, sur tous les plans. Que les Nigériens aient l'égalité de chance, c'est-à-dire que chacun aille loin aussi, aille aussi loin que ses compétences le lui permettent. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, la loi, on la met de côté, on fait les choses selon les humeurs. Comme on dit, la démocratie, c'est un régime de fermeté, parce que c'est un régime de loi. On doit appliquer la loi sans, sans, sans, sans, sans état d'âme. Mais dans, tous les discours euh, de nos autorités, on parle de la lutte contre l'impunité, l'impunité zéro. L'opération Meboulala a été engagée. Euh, vous y croyez fermement C'est mon avis, vous demandez, personnel. Hmm? Mais sans langue de bois, je n'y crois pas, franchement. Parce que qui on a pris dans ces opérations C'est des mini-frétins. On a vu, on a commencé une opération, on arrive au gros bonnet, ça s'estompe. C'est clair. Voilà. Donc vraiment, moi je pense que nous, on doit penser à une chose que nous sommes au service de notre pays. Et notre pays, c'est une cause qui nous dépasse, qui dépasse chacun d'entre nous. Donc si on, veut résumer les choses à nous, on doit se battre pour les futures générations. Il faut qu'on améliore leur monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas on, abuse des biens de notre génération, de, notre temps, et on veut encore abuser des, ressources des générations futures. Et là, ce n'est pas bien. À quoi ça sert de dire que vous faites la lutte contre l'impunité, vous, vous criez ça partout, à corée et à cri, mais dans la pratique, ce n'est pas ça du tout. Vous ne punissez pas les gens, les, les fraudeurs, les vrais fraudeurs. On les voit, les vrais escrocs, on les voit. ceux eux qui sont là en train de nous. Euh, comment on va. C'est quoi le mot même Narguer. Narguer, voilà. Du matin au soir. Et c'est ça. Et les Nigériens ont, aujourd'hui, ils en ont assez de cette injustice-là. À présent, nous parlerons dans la dernière manche de ce forum des instruments mis en place au Niger pour mieux lutter contre ces abus des biens sociaux et de détournement de fonds publics, ainsi que des mesures à prendre pour aider à réduire ces abus constatés. Euh, Samuel Abdou, Sadou, vous êtes administrateur civil, euh, fraîchement sorti de l'ENAM. Euh, selon vous, les instruments tels que la ligne verte, la Halcia, les pôles judiciaires spécialisés en matière économique et financière mis en place euh, pour lutter contre le détournement des fonds publics sont-ils réellement efficaces Oui, en théorie, en principe c'est efficace, mais dans la pratique c'est autre chose qui est fait. Maintenant tout le monde crie procureur, procureur, mais il ne s'autosaisit jamais. Pourquoi Parce qu'on sait qu'il est l'instrument du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, il prend ses ordres où Auprès du Premier ministre ou auprès du Président de la République, qui prend ses ordres aussi quelque part au niveau du bureau politique. Donc, toutes ces choses-là sont de, nature à ne pas favoriser la chose, la, justice. Donc vraiment, les instruments ne fonctionneront pas, ils ne fonctionnent pas et ne fonctionneront pas tant que nous adoptons la même attitude, celle-là de vouloir soustraire une catégorie de citoyens, parce qu'on pense qu'on on était ensemble, on a galéré ensemble et ils sont au-dessus de la loi je pense que on, gagnerait à mettre tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi, que tout le monde soit sous la même loi. Je crois qu'il y a même une plaque à la présidence où tous les Nigériens sont sous la même loi. Donc vraiment, c'est des choses que le président doit regarder chaque matin en partant à son bureau, que tous les Nigériens sont sous la même loi, y compris lui. Voilà. Vous pensez que tous les Nigériens ne sont pas sous la même loi Non, absolument pas. Alors, beaucoup d'instruments ont été mis en place euh, dans le cadre de la lutte contre l'impunité et le détournement des biens publics, tels que la Halcia, la ligne verte, le pôle judiciaire, euh, et euh, que sais-je encore. Est-ce que, selon vous, ces instruments-là sont efficaces pour mieux lutter contre les abus de biens publics Oui, vous avez les instruments et les instruments sont bons. Mais pour lutter contre ces fléaux, il faut une volonté politique confirmée. Voilà là où le problème se situe. Quand vous prenez le pôle judiciaire, ce sont des magistrats spécialisés dans la lutte contre les crimes économiques. Mais quand on parle de détournement de biens publics, on ne parle pas de vous ou de moi ou de lui. On parle de ceux qui ont la charge de gérer les biens publics, de gérer l'argent de l'État. Et certains, le pan de leur poursuite n'est pas entre les mains de la justice. Le pan de leur poursuite est entre les mains de l'exécutif. Tu prends un ministre, tu prends un, un député, il faut que l'exécutif accepte. C'est-à-dire, si vous ne levez pas l'immunité d'un député, vous ne pouvez pas le poursuivre, la justice ne peut pas le poursuivre. Le cas est illustratif. Donc vous pensez que ces instruments mis en place ne sont pas indépendants Mais il faut une volonté politique. Voilà le vrai problème où il se trouve. On a les bons instruments, je vous ai parlé des deux lois de, 2016 là sur les détournements des biens publics. Les lois sont bonnes, elles sont actuelles. Les, agents chargés de, les appliquer aussi sont intègres, sont bons. Ils vont travailler, ne vous en faites pas, le problème n'est pas là, dans tous les cas. Le juge, ce sont des faits qui parle quand on va devant un juge. Mais le système est tel que quand maintenant il y a une affaire qui, vit devant un juge, devant un juge, le juge fouille, il voit un député, un ministre. Lui, juste, il demande. Il fait une requête pour la levée d'immunité ou la mise en accusation du ministre. Si on lève pas l'immunité du député, ben, il ne peut pas bouger. Un exemple très simple avec l'affaire de, de Zakaï. On avait arrêté, on avait mis en prison les agents de l'État. Mais lui, il avait une immunité, on ne peut pas le prendre. Donc, dès qu'il y a une affaire comme ça, et la plupart qui ont géré, c'est des ministères. Et le ministre, il ne peut pas être exempt. Donc, voilà le problème là où doit se manifester la volonté politique. Et dans tous les cas, vous voyez, le monde entier a eu peur de l'ampleur que prenait la corruption et on a élaboré une convention pour combattre la corruption. La convention, vous faites allusion à la convention cadre des, Nations, Unies. Oui. Le Niger a ratifié cette convention en 2008. Certains éléments, comme la Halcia, c'est dans ce cadre-là la Halcia a été créée. Et ce pôle judiciaire-là, c'est des magistrats spécialisés. Mais on a beau prendre des textes. Mais si les textes sont là, on n'a pas la volonté politique de les appliquer. Et la volonté politique se manifeste pas, comme tu as dit, avec un discours ou une profession de foi. Non, non. La volonté politique, c'est quand, par exemple, un proche du président de la République et lui a une affaire. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que la justice peut l'atteindre C'est ah, cela ah, ah. la volonté politique. Sinon, tout le monde peut venir dire que non, il n'y a aucun problème, on va résolument combattre la corruption. Non, ça c'est de la profession de foi. Mais la volonté politique se manifeste à travers alors, Aléji Diabdou, euh, quel, rapport, maintenant, quel rapport existe-t-il entre ces instruments, dont la, la ligne verte, le pôle judiciaire spécialisé et la justice elle-même La justice, c'est la justice. Parce que seule la justice peut juger quelqu'un comme on dit. Les autres, en fait, ils aident la justice. La Halcia aide la justice. La ligne verte aide la justice mais, ces, instruments ne sont pas indépendants Si, si, si, ils sont indépendants. Maintenant, la loi, comment on appelle ça La, la, Halcia, maintenant, est régie par une loi. Parce que la convention, à un moment, c'était un décret. Et on a dit, ce n'est pas conforme à l'esprit de la Convention des Nations Unies. La Convention des Nations Unies dit que un organe de lutte contre la corruption doit être indépendant. C'est-à-dire, il faut une loi si c'est un décret, celui qui avait le décret le lendemain et dit que je me fais, alors qu'une loi c'est compliqué. C'est ça, c'est pour cela, un organe de lutte contre la corruption dans l'esprit de la Convention doit être régi par une loi. Samaïla Abdou Sadou, euh, selon vous, que faire pour amener les agents de l'État et les élus à respecter le bien public Que faire Bon, d'abord, euh, nous revenons à cette notion fondamentale du respect de la loi il faut punir parce que c'est pédagogique. Quand on ne sanctionne pas, comment on va éduquer les gens Quand on voit quelqu'un emprunter la mauvaise voie, on ne le sanctionne pas. D'autres aussi ont tendance à s'engouffrer dans la même brèche. Donc il faut vraiment donner l'exemple. Si c'est un proche du président de la République, s'il s'écarte de la loi, il faut le rappeler à l'ordre, il faut le punir, il faut qu'on le, soumette à, la rigueur de la loi, à toute la rigueur de la loi. Le respect de la loi peut changer. Euh, évidemment, évidemment. Et ceux qui sont censés respecter et faire respecter la loi. Il faut qu'il respecte. Par exemple, dans ces désordres-là, aujourd'hui, il faut que le président de la République siffle la fin de la récréation qu'il essaie de prendre son bâton. Le président de la République a déjà sifflé la fin de la récréation, à travers l'opération Meboulala. Bon, Est-ce que lui, il a appelé cette opération Meboulala C'est lui qui lui a donné le nom, vous êtes sûr Oui. Ah bon dans un, dans message à la nation. depuis la conférence nationale souveraine euh, à nos jours, plusieurs initiatives tendant à assainir euh, les biens publics, euh, les finances publiques ont été mises en place, mais malgré tout, le phénomène existe. Que faire Vous savez, le Nigérien est fort. Rapidement. Quand, il voit un problème de loi il dit que ça ne le concerne pas. Vous connaissez le pays qu'on appelle Guinée-Bissau Oui. Le cartel de la drogue, de la drogue les narcotrafiquants. Euh, les Si on n'est pas capable de lutter contre la corruption et les infractions assimilées, les infractions assimilées à la corruption sont l'abus des biens sociaux, l'enrichissement illicite, le détournement des biens publics. Si on n'est pas capable de lutter contre la corruption et ses infractions, ça veut dire qu'on n'aura pas d'état de droit. Parce que la corruption et ses infractions ruinent l'état de droit. Elles ruinent la démocratie. Elles dénaturent les élections. Et l'État sera pris en otage par des puissances financières. Donc, si on n'est pas capable de lutter contre la corruption, c'est que notre État n'existera que sur le papier, parce qu'en réalité, c'est des individus qui sont riches, qui font ce qu'ils veulent du Niger. Que la loi ne s'applique pas à eux. Et dans un pays on a, quand même eu l'opération main propre, moralisation des finances publiques, beaucoup de, de, termes tendant à assumer. Je sais que je vais te dire, tu oh, refuses on a beau prendre tous les textes, et d'ailleurs, on a les meilleurs textes. Mais on a des problèmes parce qu'on n'a pas la volonté politique pour appliquer les textes. Écoute, je prends un exemple simple. Alors, rapidement. Dans un ministère, le ministre, s'il vient à 7h30, là, il n'a même pas besoin de parler, il s'arrête devant la porte du ministère. Les gens viennent, ils vont trouver le ministre debout. Deuxième fois, les gens vont venir avant lui. Est-ce que tu comprends ça Mais dans le gouvernement actuel de la République du Niger, il y a des ministres qui ont des procédures pendantes devant la justice. Mais ils font quoi en tant que ministres S'il y a volonté politique de combattre ces fléaux-là, ces gens-là ne peuvent pas être ministres. Et si ces gens sont ministres, maintenant tu fais la mise en accusation d'un autre. Pourquoi il y a une logique dans la République, c'est ça la République. Selon vous, le, il faut commencer à balayer tout Le monde, tout le monde est égal devant la loi. Tous les citoyens doivent être égaux. Si maintenant les gens ont l'impression qu'il y en a pour eux, la loi s'applique, il y en a qui sont au-dessus de la loi. Comment tu peux gérer une république comme ça Une république ne marche pas comme ça. Une république marche sur l'égalité des citoyens devant la loi. Samaïl euh, Abdou Sadou, euh, rapidement, euh, qu'il faut faire pour mieux assainir nos finances publiques Bon, pour assainir les finances publiques, la voie, elle est difficile. Et c'est la loi, c'est toujours la loi. Il faut l'appliquer, c'est clair. Vous détournez, vous payez l'enrichissement illicite, la corruption, c'est des fléaux qui retardent notre pays. Aujourd'hui, vous voyez, les individus, ils sont excessivement riches. Et pourtant, c'est des gens qui n'ont pas euh, hérité, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas travaillé dans des multinationales. Mais vous voyez du jour au lendemain parce qu'ils ils font de la politique. Ils sont riches. Parce que la politique est devenue entreprise de captation des ressources publiques. pour les privés, évidemment. Donc, il faut combattre les choses avec la loi. Il faut être vraiment légaliste. Il y a la loi qui est là, il y a les instruments qui sont là. Il faut les appliquer. La fermeté à tout instant, à tout moment, sur tous les territoires nationaux comme synthèse à retenir de ce forum que tous les invités ont unanimement reconnu que ce fléau euh, de la corruption et les infractions assimilées est aujourd'hui devenu endémique, sapant du coup les efforts de mobilisation des ressources internes et externes et freinant ainsi les efforts de développement euh, du Niger. Pour cela, la lutte contre l'impunité doit être la priorité des autorités au plus haut sommet de l'État. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, El Idi Abdou, acteur de la société civile. Nous étions également avec euh, Samaïla Abdou Sadou, administrateur civil euh, fraîchement sorti de l'ENAM. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au prochain rendez-vous, même heure, même fréquence. Merci, au revoir.